Quoi, merci gars bon vraiment ñu ngi sant yàlla xam nga vraiment final bi ni ñu ko bëggee woon quoi amna. mais lenn rek la déplorer nag quoi ça quand même il faut que ñëpp déplorer quoi, quoi parce que tey jii ñëpp gis nañ arbitrage bi mu demee. il ont il a il a il est passé à côté de l'arbitrage arbitrage moom moo yàq fête bi quoi mon nañ ko wax. parce que ku nekk mun munoon nañ gagné terrain bi ñëpp gis nañ ko mais là nous ñu un mauvais perdant nous remercions ñu ngi ñu ngi félicité jamono. di ko ñaanal coupe bi mu mérité ko mais l' arbitrage moom vraiment c' est à décrier d' une manière audible laa la wax nii. une en haute et intelligible voix nous disons. ci détails yi li nga xamante ne moo nekk erreur d'arbitrage bi xam waaw mais xam nga dañu gis ñetti coup yu teglo uh-huh. benn fii benn fii mu mujjee si pénalti lépp mu tëdd uh-huh. lépp mu tëdd

mais problème bu amee tamit ku ñàkk tamit du ñànki mais dañuy wax dëgg c'est quelque chose boo xam ne ñëpp ko gis jant bu taxaw la quoi ñu ngi ñaanal waa jamono nag ku bi jig leen ñun ñu ànd ak ñoom dem départemental ñoo bokk ñoo bokk koñ benn lañu amul ben tension bu wara jox ci si ñaari quartier yi mën nañ ànd départemental yalla defaat ñu dajewaat final final wat mu neex mais arbitre mom vraiment ñun mom dañuy récuser Ilon ça je le dis ici té dina ko bind dinaa yónnee sucra lettre on récuse Ilon Ilon dootul arbitrer match notaire parce que li dafa yàgg ah j'ai depuis 91 91 ça je dis 91 Ilon ray nañu fi rayat ñu rayat ñu légui nak xolal ñun ko gis lu ñul na xam ku ku ndëbin rey sama am foo gis lu ñul da ngay daw Ilon ñu gis suñu terrain on va écrire une lettre officielle adressée à la SOUCRA pour que les matchs de noter bu ko ilondré ñu ngi gërëm nag waa banlieue euh, TV vraiment gis nañ liggéey bi ngeen def ñu leen di ñaanal yàlla may leen ngeen am maison TV xam nga ngeen am ngeen ngeen am maison bu ngand

en moi je m'appelle Charles André Méli, mais ce que je déplore aujourd'hui Charles André Méli. ce que je déplore aujourd'hui c'est ce que déplore tout le quartier de notaires tous les supporters de notaires on ne peut pas vivre ces calvaires là chaque match c'est pas la première c'est pas la deuxième euh, euh, euh, de, ce tournoi là c'est la troisième fois chaque fois par des erreurs arbitrage flagrant délit je dis clairement et en haute voix la zone c'est une mafia Ils ont organisé li. nous avons des flics. ils sont des truands ils sont des voleurs ont une mafia ils ont choisi arbitre yi nga gagné. et ça il faut le dire haut et fort on ne peut pas continuer à vivre ça on ne peut pas investir des millions des millions des millions pendant toute une année après on vient on nous amène des arbitres qui ne savent même pas arbitrer des matchs de cadets ou des matchs de mini. ça c'est déplorable ça c'est déplorable et haut et fort l'arbitre c'est un voleur la zone ce sont des voleurs on a vu le deuxième but la légalisation de qui de Diamono légalisation de diamants Et on a eu un penalty ici qu'il a laissé passer, avec toutes les coups francs qu'il a, sifflés en faveur de diamants. Nous, qu'est-ce qu'on a eu dans ce match-là. On n'a rien eu, tout ce qu'on a eu, on l'a eu à la sueur de notre front. Coach, hein? Non, mais c'est normal parce qu'ils ont été bien entraînés. Mais parce qu'ils étaient bien entraînés, ils étaient bien entraînés tant que euh, sportivement et, psychologiquement. Mhm. On a bien préparé nos joueurs sur tous les plans. Je ne dis pas des côtés mystiques et des trucs là. Mhm. On s'est bien entraîné dans le terrain et on a bien parlé avec eux. Mhm. Je remercie. Euh, vous, sincèrement, on n'a rien à vous dire. On vous encourage à continuer sur cette lancée-là. Parce que vraiment, vous êtes en train de faire un excellent travail. Mais du côté aussi de l'arbitrage et de l'organisation des matchs, ça, il faut revoir ça. C'est quoi, le quoi le message Non, le message, il est, simple. Hein. Le message, il est simple et il ne va pas être long. Cette zone-là, cette zone-là ne mérite pas d'organiser des matchs. Ne mérite pas d'organiser des matchs parce qu'ils n'en ont pas les capacités. Ils n'en ont pas les capacités. Regardez la, finale, comment elle est la finale. Qu'est-ce que vous avez vu Vous n'avez rien vu une mauvaise organisation. En plus, ils ont amené des, arbitres qui prétendent savoir euh, des trucs. Et non, c'est mon ami, mais s'il a mal fait, je vais lui dire carrément, il a mal fait. Il a mal arbitré la finale. Parce qu'une finale ne peut pas être arbitrée comme ça. Il faut amener des arbitres à la hauteur. Et aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. Peut-être d'autres fois, si. Mais aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. Et les, supporters sont en train de déplorer parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, euh, vraiment, on ne sait pas qui souhaitait, mais on... Okay, merci beaucoup, Merci, coach. Le travail continue.